le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs à partir de 18h15 Ce soir, nous sommes avec les confrères de la presse écrite pour une analyse de l'actualité de la semaine. Garé Amadou du journal L'événement. Bonsoir Garé. Bonsoir. Merci d'être venu. Lawan Abagana du journal L'actualité. Bonsoir Lawan. Bonsoir Gouzi. Et Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Hussein et merci euh, d'être venu. Ce soir, nous allons échanger sur la visite euh, cette semaine du commandant de la force Barkhane, général Patrick Bretus, qui a rencontré le président Issoufou Mamadou pour lui expliquer les activités de Barkhane autour des frontières euh, Libye, Niger, Mali. Et nous allons parler également de la situation économique du Niger, pour, qui pour certains eux, nous sommes, pour certains, nous sommes dans l'économie nationale et dans des difficultés. Enfin, nous allons également parler du boycott que compte faire la maison de la presse pour la rupture collective qu'organise d'habitude le président Issoufou Mahamadou. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le forum de la presse. Nous allons commencer ce forum par la santé économique de notre pays. Il y a quelques semaines, face aux députés, le ministre des Finances parlait de récession budgétaire. Du coup, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de dépenses d'investissement, mais seulement des dépenses de fonctionnement. D'un autre côté, on a entendu les coups de gueule de certains fonctionnaires et autres contractuels pour cause de non-paiement de salaire. C'est le cas, par exemple, des enseignants contractuels et des enseignants-chercheurs dans une certaine mesure. D'aucuns avancent euh, que les caisses de l'État sont vides à Amadou du journal L'événement, vous partagez ces points de vue Oui, c'est sûr qu'il y, y, a des problèmes financiers, parce que si le ministre des Finances lui-même le dit, n'est-ce pas, euh, qui va venir nier, n'est-ce pas, ce qu'un ministre des Finances euh, euh, qui est le responsable de la Bourse nationale, si je peux m'exprimer ainsi, parle, personne ne peut, ne peut dire le contraire. C'est sûr qu'il y a des problèmes financiers. je suis tout de même heureux de constater quand même que les salaires sont en train d'être payés, euh, bien sûr, les salaires, c'est pas tout. Il y a des arrêts que les contractuels ont accumulés, en tout cas dans certaines régions, qu'il faudra forcément éponger. Mais la difficulté économique, je pense qu'il y a eu quelques semaines auparavant une rencontre entre les différents responsables des, des bureaux de douane du pays, où il a été question d'une baisse drastique des recettes douanières. Et à ce niveau, elle a été, euh, on a encouragé les responsables du bureau de douane à multiplier les efforts pour que les frais des douanes puissent augmenter, n'est-ce pas Je pense que euh, c'est une période difficile que le Niger est en train de traverser, mais euh, comme d'habitude, moi je suis un euh, afro-pessimiste, je suis un Nigéro, je suis un afro-optimiste, je suis un Nigéro-optimiste aussi. Donc je pense que cette période difficile va être traversée avec l'aide de la communauté internationale, bien sûr, les barres de fonds, etc., etc. À Bogana du journal L'actualité, euh, le pays traverse euh, des difficultés financières. Je, pense que les finances euh, du Niger sont dans une mauvaise passe. à un moment, ceux qui disent cet état de fait, ceux qui font des analyses dans ce sens, ils sont considérés comme des parias, comme des gens qui sont pas dignes parce que j'ai vu on fait cette classification sur les réseaux sociaux. Heureusement parce que ce n'est pas trop sérieux les réseaux sociaux. On dit voilà les Nigériens dignes et indigne. Je suis rassuré que le ministre euh, en charge des questions financières le reconnaisse devant le Parlement. C'est un message fort parce que c'est devant les députés, les représentants du peuple. Quand j'ai discuté avec euh, un spécialiste du domaine, un économiste, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un économiste pour nous expliquer des questions économiques, parce qu'on ne peut pas être économiste toujours le lendemain. Il nous a parlé de la masse salariale de l'État par mois, qui est de 200 milliards de francs CFA. C'est trop élevé pour un Niger aussi euh, euh, qui a des défis dans tous les secteurs, dans les secteurs sociaux comme le nôtre, qui est aussi confronté à une guerre euh, de la secte maléfique Boko Haram il y a aussi des dépenses de prestige. Et je suis aussi content, heureux de savoir qu'il y a une réorientation, de l'argent, de budget. On va plus aller dans les investissements, on va aller dans le fonctionnement. Mais il y a aussi, il faut dire la vérité, il faut réduire le train de l'État. vous expliquez, vous expliquez ces difficultés financières par euh, une, par, des choix économiques, hasardeux qui ont été faits par le gouvernement. 200 milliards de masse salariale par mois, je pense que ce n'est pas tenable. Vous avez vu même à l'université la grogne des étudiants pour la maigre bourse qu'il faut payer. J'ai discuté avec des contractuels, certains à 200. C'est des faits. Ils avoisinent les 3 milliards. Ils cumulent 3 mois sans pécule. Les pécules des enseignants, ce n'est pas le salaire d'un député, ou encore moins les fonds politiques euh, d'un président à la fin de la semaine. Je pense qu'il faut que les gens fassent attention et qu'ils essayent de réduire cela. Et l'économiste finit par me dire, et je le cite, il dit quand on prend du poids, il faut forcément dégraisser un jour. Il faut donc euh, prendre d'autres des mesures draconiennes pour essayer d'inverser la courbe. Ousseini Issa, journaliste indépendant, quel est votre avis par rapport, à votre position par rapport à, cette question de difficultés financières pour beaucoup, pour, pour, euh, Lawa Bagana une masse salariale assez élevée, des dépenses euh, de prestige et des choix économiques euh, non. Bon, effectivement, comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord. Euh, Abagana a donné quelques quand même arguments qui expliquent pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Et c'était du, reste prévisible. C'était du, reste prévisible. La situation de ce pays, à partir de 2000, quand la 5e République est arrivée, le pays était dans le gouffre. Les gens qui étaient arrivés sous la cinquième République, ils ont travaillé pour redresser la situation. Il y avait des arriérés de salaire. Ils ont mis en place des mécanismes pour pouvoir éponger ces arriérés de salaire, pour stabiliser la situation économique, la situation financière de l'État. En 2010, ils ont même créé les conditions de génération de nouvelles ressources, notamment en s'engageant dans des voies comme la rivalorisation de l'uranium nigérien, indépendamment de, de, l'uranium, il y avait aussi le pétrole qu'il fallait, comment dire, exploiter. Tanja c'est comme avait engagé sur cette voie et il est parvenu à faire ce travail-là. Il est parvenu même à mettre en place une raffinerie pour pouvoir booster un peu l'économie et créer les conditions pour que les gens soient dépendants sur le plan des hydrocarbures quand il y a eu la transition, c'était la situation était vraiment viable. La situation économique financière de l'État était viable. Ceux qui sont arrivés par la suite, ils sont venus trouver une situation viable, une situation qui était là, qu'il fallait juste consolider, qu'il fallait renforcer. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'était passé quand ils sont arrivés, ils se sont mis à, poser des actes, à, mettre en place des politiques publiques, en tout cas qui ne cadraient pas vraiment avec cette option-là, avec cette volonté de, pouvoir renforcer les acquis, de pouvoir créer les conditions pour que le pays puisse être stable sur le plan, en tout cas financier. En l'espace de cinq ans, on a vu ce qui s'est passé avec des gouvernements pléthoriques et, on a vu aussi à l'occasion des dernières élections législatives, quand ils ont décidé de passer le nombre de députés de 113 à 171, ce n'était pas une nécessité dans un pays confronté à des situations, en tout cas de tension, dans un pays qui doit souvent tendre la main. Et il ne faut pas perdre de vue que euh, le programme qui a été exécuté sous le premier mandat, c'était basé sur le PDES, le programme de développement économique, social et qui a été négocié à Paris avec les partenaires, avec les bailleurs de fonds. C'est ça qui a permis de mobiliser les 6 000 et quelques milliards dont on parlait, dont 5, et quelques, 000 et quelques milliards ont été mobilisés. Mais les partenaires, quand ils vous donnent, quand ils vous donnent leur argent, ils sont regardants vis-à-vis de la gestion, vis à -vis des dépenses. Et aujourd'hui, nul ne peut nier qu'il y a une pression sur les recettes, sur le budget de l'État. Il y a une pression intense. On ne peut pas gérer un pays en se contentant de dire effectivement les salaires ont été payés, mais les salaires ont été payés comment Le salaire qui est en train d'être payé de ce mois de juin. Est-ce que les mois prochains, on peut arriver à, pouvoir payer les salaires à terme échu Ce qu'on aurait aimé voir, c'est qu'à l'entame de ce deuxième mandat-là, qu'on soit dans une dynamique où il n'y a pas de rupture par rapport à ce qu'on a vu sous le premier mandat. Mais malheureusement, on se retrouve dans une situation où il y a une rupture totale il y a la rupture totale parce que, bon, ce qu'il y avait dans les caisses, ce qu'on a pu mobiliser, les conditions qu'on a pu créer, tout a été démantelé en temps. Le pétrole aujourd'hui, au niveau de la, de, la raffinerie, ce n'est plus le Niger seulement qui vend à l'export. Les Chinois ont pu faire la pression aujourd'hui, eux aussi vendent à l'export. L'uranium a été compromis parce que c'était initialement, ça devait démarrer en 92 et pas en 2012 plutôt. C'était l'ambition de Tanja comme ça. Et après, aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce que ça va devenir au moral. nous, allons revenir à vous. C'est tous ces aspects, c'est tous ces éléments-là que je vais montrer. Et quand le ministre des Finances lui-même en personne sort pour dire les caisses de l'État sont vides, et on voit un peu comment les choses sont en train de se passer, les dépenses. Et quand on dit qu'il n'y aura pas d'investissement, ça signifie quoi ça signifie que tout ce qui va être mobilisé, ça va juste servir au fonctionnement. Mais quand on veut s'engager dans cette voie, laissez-moi finir, quand on veut s'engager dans cette voie, il faut aussi créer les conditions de dégraissage. Parce que le train de vie de l'État, tel que ça se mène avec 41 ministres, avec 171 députés, pour les députés, c'est un peu compliqué. Garé, Amadou, nous allons revenir à vous. Garé Amadou, oui, qu'est-ce qui explique selon vous ces difficultés Oui, vous savez, ce gouvernement, quand il est arrivé au pouvoir, il a, il a, il a recruté beaucoup de jeunes Nigériens qui chômaient, de jeunes diplômés qui chômaient comprenez C'est vraiment des milliers de Nigériens qui ont été euh, euh, recrutés au niveau de la fonction publique. Et certainement que ces recrutements-là ont augmenté la, masse salariale. Parce qu'on parle, par exemple, rien que pour les enseignants contractuels, plus de 3000 recrutements par, par an. Rien que, les enseignants contractuels. Il y a des médecins qui sont recrutés. Il a, vraiment, c'est dans tous les secteurs sociaux de base des recrutements qui ont été faits. Maintenant, on est dans une situation où il y a des difficultés de, trésorerie. Moi, je veux bien euh, ce que l'économiste a dit à Bagana quand on est gros, il faut dégraisser. Ben, il faut dégraisser, mais qui est prêt à dégraisser N'est-ce pas Moi, je suis d'accord que déjà, les conseillers chargés des missions au niveau de l'Assemblée, euh, la présidence ont été, ont été tout ça s'est arrêté, n'est-ce pas Il faut diminuer les, salaires des, des, ministres, par exemple, si c'est possible, en tout cas diminuer les, les, les émoluments des députés, mais il faut aussi que les fonctionnaires comprennent que la situation est difficile, que chacun puisse accepter qu'on diminue sur son salaire. Mais est-ce que les fonctionnaires sont dans ce état d'esprit Vous avez vu les étudiants, la bourse qu'on devait donner, ah, la bourse, l'aide sociale qu'on devait donner, n'est-ce pas qui était de 150 000 qu'on voulait ramener à 130 000. Les étudiants sont sortis, ils ont battu le pavé et le gouvernement était obligé de revenir sur sa décision et de maintenir les... Quels sont, est-ce que les Nigériens sont prêts à faire des sacrifices Parce qu'on ne peut pas quand même dégraisser la fonction publique. Ça, c'est clair, on ne peut pas dégraisser parce que c'est des gens qui ont été recrutés, n'est-ce pas C'est des pères de famille qui ont fondé des foyers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que chacun fasse des sacrifices. Moi, je suis d'accord pour que le terrain de vie de l'État diminue. Il faut que les ministres. Euh, je suis d'accord qu'on diminue les ministres parce que moi, de prime abord, je l'ai dit sur d'autres plateaux, que moi, j'aurais voulu que le gouvernement soit de 28 ministres. Maintenant, le gouvernement est arrivé à 41 ministres, il faut faire avec. comment faire Sinon plus. Sinon plus, 42 ministres même. maintenant comment faire Il faut diminuer la charge. Et comment diminuer la charge Il faut que, par exemple, les salaires des ministres, les émoluments qu'on leur verse chaque fin du mois, que ça diminue. Ça, a été fait dans certains pays. Il faut que les émoluments des députés soient diminués. Mais je vous assure, quand vous allez toucher cette question-là, de diminuer les avantages des députés-là, tous les députés, toutes tendances confondues, vont se soulever. Ils vont faire comme bloc, une même famille toutes tendances confondues, ils vont s'opposer à la diminution de leur émolument. Et voilà le problème. Et si on dit que les fonctionnaires, on va leur diminuer les salaires pour permettre à, l'État de pouvoir euh, supporter ces charges-là, c'est des grèves à un point fini. Voilà le problème. Alors, un autre aspect par rapport toujours à l'économie, oh, le pays, de euh, Nigeria, pays voisin du Niger, a procédé récemment à une dévaluation de sa monnaie, la Naira. Quel impact, euh, là où en Bagana, journaliste euh, euh, du journal L'Actualité. Je n'ai pas de grandes connaissances euh, dans les domaines économiques et oser m'aventurer dans un domaine parce que quand je parle de ce que l'économiste a dit, l'économiste, il est bien vivant, c'est le chef du département économie à la FCH, docteur Bala. Ah docteur Bala, ah avec lui on a fait cet échange, j'ai publié ça, ça fait deux ou trois semaines dans le journal. C'est des faits. Mais moi je dis, soyons sérieux. Un État c'est pas, c'est pas la nébuleuse de chez ou Un État, c'est une planification. Même chez toi, tu as ta famille, tu as des enfants. Tu sais que si tu te permets de telles dépenses, à la fin du mois, les choses seront difficiles. Il y a le riz à acheter, il y a le loyer, c'est des dépenses de souveraineté. Il faut payer la bonne et puis, je pense, soit un sérieux. Le poisson pourrit pas la tête. Si le, les premiers responsables donnent l'exemple, eux-mêmes, ils font des concessions. On a vu dans d'autres pays. Quand nous, on achetait un avion à, euh, on est troisième acquéreur de l'avion Mangreboun. On l'a acheté plus cher en tant que troisième acquéreur. On a fait un hangar à 7 milliards. Le Malawi a vendu son avion. Pour on a des problèmes, nous vendons notre avion pour mettre, pour renflouer nos caisses. Il y a des choix qu'il faut faire. Les chefs qui sont devant doivent donner l'exemple. Ils n'ont qu'à commencer par mettre fin à leur fonds politique. Vous savez combien le président de la République prend chaque vendredi, chaque week-end, le président de l'Assemblée, le, Premier ministre On dira que non, c'est pour ceci, mais quand on traverse des difficultés, je pense que c'est eux qui doivent, donner le pas. Vous savez, j'aime toujours raconter quand les Tchadiens font la guerre à la nébuleuse Boko Haram il n'y a pas des enfants, des militaires euh, euh, qui mangent du beurre, qui roulent le air, qui ont une gourmette en or, qui restent à Kwarakano. Non. Au Tchad, l'enfant du président, il part sur le terrain, sur le front. Il s'expose. Alors pourquoi les gens ne vont pas suivre il faut arrêter ce discours. Il faut que le président donne l'exemple. Il faut qu'il nettoie un certain nombre de nébuleuses qui sont autour de lui, dans son palais, dans, son sérail. Il faut qu'il empêche le vol. Il faut qu'il empêche l'affairisme, même si ça se passe sous son toit ou avec la complicité de certaines personnalités qui ont profité des leviers de l'État pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le problème économique, s'est artificiellement créé. On le sait, aujourd'hui, si vous avez de l'argent au trésor, alors vous savez que vous n'avez rien parce que le trésor n'est pas solvable. On ne va pas vous payer. J'ai vu des gens, ils me disent que ils ont des titres de règlement de 30 millions, mais s'ils trouvent 20 millions, 15 millions cash, vraiment, ils vont le vendre. Parce qu'au trésor, ça ne vaut rien. Vous avez entendu qu'au trésor, on a même volé c'est un scandale. Il faut qu'on respecte cette République. La République, c'est la planification, c'est des objectifs qu'on se donne pour les atteindre. Mais cette classe pourrie qui est en train de gérer ne veut pas véritablement avoir ces solutions. Oussaini, euh, la dévaluation de la Naira, est-ce que cela peut avoir un impact négatif, vous pensez Par rapport au Nigeria, quand même, c'est notre grand partenaire sur le plan économique. Quand vous prenez toute la bande sud, pratiquement 1700 kilomètres, le commerce entre les pays qui sont frontaliers, le commerce véritablement de ces régions-là, c'est le Nigeria qui, qui, c'est le Nigeria qui, qui, booste un peu le commerce. Sans le Nigeria, c'est pas possible. Maintenant, dès qu'il y a un problème sur le plan économique au Nigeria, évidemment que ça va impacter sur nous, d'une manière ou d'une autre. C'est nous peut-être qui bénéficions d'autres entrées, notamment des ports comme le port de Lomé, le port de Cotonou, via le corridor par là, via le Burkina Faso. Mais tous ceux qui sont de l'autre côté, pratiquement, c'est vraiment la frontière. C'est vraiment le commerce se fait sur la base. Je vais, j'achète au Nigeria ou des produits, j'amène, je vends, je retourne au Nigeria, ainsi de suite. Maintenant, quand il y a une dévaluation, bien entendu que ça va impacter. Surtout sur les exportations, j'imagine. oui, mais bien sûr que ça va. Et j'aurais même appris que d'un côté, il y a une partie de la frontière qui est fermée. Il y a des aliments ou il y a des produits qu'on ne doit pas, en tout cas que Boya a interdit d'exporter, d'amener, d'importer dans son pays un certain nombre de produits, un certain nombre de biens. J'ai récemment entendu ça, mais je n'ai pas vérifié l'information. C'est du côté de Gaia, ça se passe je sais pas, si c'est les véhicules d'occasion, mais également les, les friperies, tout ça. Je crois c'est un certain nombre de produits comme ça où il interdit carrément l'importation dans son pays. Mais maintenant, pour revenir un peu encore à la situation, parce que le Niger, c'est sûr, c'est notre grand partenaire, mais indépendamment, il faut regarder ce que nous, faisons à l'interne. C'est ça le problème. Les gens veulent fermer les yeux. Ça dit que on se fonce tête baissée. Abagana ah, vient de dire quelque chose de très important, la planification. Gouverner, on dit, c'est prévoir quand je sais que j'ai 100 francs et que je ne peux pas, d'ici demain, je ne peux pas et comment vais multiplier ces 100 francs-là. Je vais faire en sorte que ces 100 francs m'amènent jusqu'à mercredi ou du moins jusqu'à dimanche. Mais quand avec les 100 francs, je vais vouloir engager des dépenses qui vont me coûter rien que demain, je vais devoir trouver 300 francs. Comment je vais faire ça veut dire que je n'ai pas planifié, je n'ai pas prévu que quand je recrute des gens, je dois me mettre en tête que je ne les recrute pas pour qu'ils viennent travailler et, comment dire, euh, comment bah, de, de, manière bénévole. Sans produire. De, manière bénévole, j'attends des résultats de leur part et par conséquent, je dois créer les conditions pour pouvoir les payer chaque fin de mois. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on fasse du salaire. Le salaire ne doit plus être, comment dire, euh, comment on appelle ça Le salaire ne peut plus continuer à être euh, euh, euh, comment, un, pas un succès, mais mais une réussite, une prouesse, une prouesse. On a comme l'impression qu'on veut retomber dans ce qu'on a connu jusqu'en 2000, où quand on payait le salaire, on annonçait même à la radio pour dire bon le salaire de tel mois va être payé. Ça fait que les créanciers, le fonctionnaire se retrouvent le 18 au lendemain, avant même qu'il puisse percevoir son salaire, il va se retrouver avec plein de créanciers sur le dos. Et on est ah, malheureusement, comme je, crains qu'on en arrive là. Parce qu'il ne s'agit pas de payer des salaires. Il s'agit de créer les conditions d'un développement durable, un développement sans, interruption. Aujourd'hui, nous, nous retrouvons dans une situation où il y a une interruption. Quand on dit qu'il n'y aura pas d'investissement, ça veut dire que tout ce qui va être mobilisé, alors que c'est les investissements qui peuvent permettre de toucher le monde, le monde rural, les populations. C'est les investissements qui peuvent permettre de toucher ce monde-là, qui est plus important que le monde chez les, les travailleurs et tout. Ça veut dire on va rien leur faire cette année. Et ils vont rester, ils vont payer des impôts, mais ils vont, ils vont bénéficier de rien de la PAC de Voilà la situation qui guette ce pays. Et moi, j'ai dit qu'il faut réorienter et il faut créer les conditions pour que quand on est dans une situation difficile, on se donne les moyens, on se dit, bon, il faut dégraisser, il faut dégraisser, il faut d'abord commencer par faire ça au niveau de l'État. Gare Amadou, un mot sur la dévaluation de la Nera, les conséquences. Je suis pas de, suis pas un économiste, mais je sais que la dévaluation du Nera va permettre au Niger d'importer beaucoup de choses encore du Nigeria. C'est-à-dire que ça va favoriser l'importation, ça c'est clair. Maintenant, concernant euh, le, train de ville et l'État, je, comprends bien. Vous savez, moi j'ai les pieds sur terre. Hein. C'est pourquoi chaque fois je dis, voilà c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne veux pas venir sur un plateau de, de, radio pleurnicher l'armoyer, n'est-ce pas, sur la situation du pays. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'un père de famille, n'est-ce pas, a mis au monde beaucoup d'enfants qui n'arrivent n'arrive plus à nous qu'il faut tuer les enfants. Non, c'est pourquoi j'avais dit, ceux qui ont été recrutés au niveau de la fonction publique vont les maintenir, mais ce qu'il faut faire, il faut faire des sacrifices. Et je dis des sacrifices à tous les niveaux, n'est-ce pas Mais est-ce que les, les si le, le, est-ce que le fonctionnaire nigérien est prêt à faire des sacrifices Est-ce que les autorités sont prêtes à faire, à, prêtes à faire le sacrifice Il faut que le sacrifice soit commun. Mais je, vous dis, ce ne sera pas une partie de plaisir parce que euh, les syndicats, les connaissants ne vont pas ne vont pas laisser euh, euh, une miette de leur, de, leur salaire, je vous le dis. Même si on annule les fonds politiques, il faut avoir les pieds sur terre. Vous connaissez les syndicats au Niger. Moi, j'ai les pieds sur terre, tout ce que je vous dis. Je suis lucide. Les syndicats ne vont jamais accepter une réduction de salaire. Jamais. Je vous le dis. Et ah. je vous dis, la solution idéale serait que vraiment qu'on puisse chacun faire des sacrifices, qu'on puisse dégraisser. Le gouvernement a déjà fait un pas. Je vous dis, les conseillers chargés des missions au niveau de l'Assemblée nationale, de la présidence et de la primature, tout a été suspendu. Ça, c'est déjà un premier pas. Le second pas, les salaires des ministres. Si un ministre prend 800 000 francs par mois, il faut qu'on arrive à diminuer pour peine 600 000 francs par mois ou 500 000 francs. Les députés qui ont 2 millions et quelques, si on peut diminuer pour les amener à 1 500 000, ça serait bien pour le pays. Mais vous avez vu en 2000, pendant la, la, 6e République, quand les Nouhars avaient demandé à ce que le salaire des députés soit amené à 600 000 francs. Vous avez vu, toute tendance confondue, ils ont fait bloc. Quand on touche leurs intérêts là, il n'y a pas d'opposition majoritaire. Hein. Ils forment une famille. Et je vous dis, et c'est ça le grand problème au Niger, c'est-à-dire que les gens font la mauvaise foi. Quand vous les entendez parler, vous avez l'impression qu'ils sont convaincus. Mais quand ça les touche eux-mêmes, il faut, je, demande à la société civile de se mobiliser pour que les salaires de députés soient diminués. Vous allez voir ce qui va se passer. Toute tendance confondue ils vont faire un bloc, ils vont refuser. Et j'ai dit, la situation du Niger est arrivée à un point où il ne s'agit plus de pleurnicher, n'est-ce pas C'est un fait qui est là, tout le monde, nous l'avons tous reconnu. Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier on, a, on, apprend cette semaine que le Millennium Challenge Corporation a, cautionné euh, donc un don pour le Niger pour son programme compact, euh, un don de 437 millions de dollars. Une bonne nouvelle ah oui, c'est une bonne nouvelle parce que vous savez, le, tableau qu'on dressait du Niger, on disait que le Niger était un pays, euh, des, les gens parlaient d'État voyou, euh, etc., etc., que c'était un pays qui... Le, que le Niger est un pays économiquement crédible au niveau des institutions financières internationales. Avant que le de Challenge décaisse ces fonds-là, le responsable avec la Banque mondiale était au Niger il a dit que la Banque mondiale fait confiance au Niger. Et la Banque mondiale, n'est pas des amateurs, c'est des gens qui étudient, n'est-ce pas, l'économie d'un pays. Et ils savent que si on peut donner du crédit à un pays, c'est que ce pays est solvable. Le Niger peut rembourser ses crédits. Donc, la situation du Niger est difficile, mais ne soyons pas alarmistes. C'est pas la catastrophe, hein. Je vous arrête tout de suite, c'est pas la grande catastrophe, faut pas que les gens pensent que y une le, pays est en banqueroute, c'est faux. À Tu sais, je ne dîne pas à la CDAO, je ne dîne dans aucune banque, donc je n'ai pas d'informations sur ces questions. Mais ce que je sais, je trouve que c'est totalement ridicule pour une nation comme le Niger, lorsque euh, un organisme comme euh, Millionaire Challenge concède euh, quelques centaines de millions de dollars pour être investi dans un domaine vous voyez la, la machine qui a été mise en branle du côté du pouvoir. Non, c'est les États-Unis. On disait qu'on n'est pas crédible. On disait qu'on a volé les élections. Et donc on est crédible. Et donc, puisqu'on est crédible, on nous a donné de l'argent. Et donc, ce n'est pas cela. Je pense qu'il faut être lucide. Cette signature a été faite dans un cadre bien précis. C'est pour appuyer un certain nombre de secteurs de notre pays. Mais est-ce que un régime véritablement, qui est en train de réussir dans tous les domaines, comme il l'a dit, peut faire le boucan de tous les diables parce que Millennium Challenge à amener 435 millions. Et leur, vous avez vu leurs leur, leur médias de la terreur là, qui ils ont repris ça, le Niger est crédible. Donc, ils n'ont pas de légitimité. Ils ont volé les élections, mais ils cherchent la caution de l'extérieur. Non, même les États-Unis ont donné, mais même eux, ils ont fait. Vous avez quand il y a eu le communiqué. ils ont donné. Ils ont donné, mais je pense que il ne faut pas en faire tout un bouquin. Je pense que lorsque on veut développer un pays, on ne peut pas avoir toujours la la besace euh, euh, sous, les aisselles en train de mendier ou à jouer au mannequin dans, des hôtels. Vous savez, ça un mot avant qu'on ne passe à notre second Le ah, sujet. Moi, ce que je veux dire, bon, moi, en fait, moi, je crois qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Parce que tout simplement, le Binam Challenge, ça, ça remonte à 2005 c'est tout un processus. Et les Américains, quand ils donnent leur argent, c'est qu'ils s'assurent que, effectivement, le secteur pour lequel l'argent a été donné, l'argent va aller effectivement dans ce secteur-là c'est pour l'agriculture. Et moi, aujourd'hui, je suis un peu, c'est véritablement un groupe pour l'agriculture, le monde rural. Et je suis convaincu qu'ils vont se donner les moyens de vérifier comment l'argent va être dépensé. Ce pas une question de opposition. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans une dynamique de rationalité. Un pays, ça se gère, c'est des gens. C'est pas tout le monde est, citoyen de ce pays. Tout le monde est nigérien. Tout le monde veut bien que ça marche. Mais quand les politiques qui sont mises en œuvre ne marchent pas, il faut les dénoncer. On ne peut pas se mettre la tête, j'ai dit non, non, non. Parce que c'est ça qui fait le problème avec ceux qui sont au, gouverneur aujourd'hui. Ils sont allergiques à toute critique, se remettent en cause. Personne n'a demandé, quand la société civile s'est mobilisée pour dire non, il ne faut pas augmenter le nombre de députés parce que la situation du pays ne le permettait pas. Les gens ont foncé tête baissée pour aller faire de 130 députés à 160 députés. Est-ce que le pays avait besoin de ça pour pouvoir mettre en place des bonnes politiques publiques. Moi, j'ai dit non. Est-ce que le pays avait besoin d'augmenter le nombre de députés pour pouvoir qu'on puisse disposer de bonnes lois 18 heures passées de 41 minutes, encore 19 minutes euh, qui nous restent à passer ensemble. Je le disais en introduction, le général Patrick Bretou, du commandant de la force Barkhane, est venu au Niger faire le point des activités de Barkhane, notamment au Mali et sur la frontière du Niger et de la Libye. Le commandant de la force Barkhane, Patrick Bretou, que je vous propose d'écouter juste à sa sortie d'audience avec le président. En liaison avec les pays du G5, les armées de ces cinq pays, appuyées par la France, mènent des opérations conjointes transfrontalières qui visent à entraver les flux de ces terroristes et quand on les intercepte, à les neutraliser. Et pour ce qui concerne la coopération directe entre Barkhane et les forces armées nigériennes, nous avons mené de nombreuses opérations dans le nord du Niger, euh, à partir des bases de Madama et d'Aguelal, près d'Arlit, afin d'entraver les flux de terroristes qui viennent de Libye, qui vont vers le nord Mali. Donc nous avons intercepté de, nombreux pick-up, de nombreux terroristes, de la drogue, de l'armement, euh, durant toute cette année. Donc on peut considérer que la présence dans la durée euh, des forces armées nigériennes et de Barkhane dans le Sahara euh, un impact important sur ces terroristes parce qu'on les capture, on les neutralise, on en tue quelques-uns, et puis on entrave leur flux surtout. Et donc on leur interdit en fait de vivre normalement. Ils ont une pression permanente, ce qui fait que leur capacité de nuisance est diminuée. Boko Haram est encore présent dans l'état du Bordeaux. Hein. Il a deux zones refuge, l'une qui est dans la région du lac Tchad et l'autre un peu plus au sud, dans la zone de la forêt de Sambisa et des monts Mandara. Il y a actuellement des opérations qui sont en cours, hein, menées euh, principalement par les Nigérians au sud du Bordeaux, mais par la force multinationale mixte autour du lac Tchad, effectivement en réaction à des incursions de Boko Haram, euh, notamment à Difa et dans la zone du lac Tchad, où Nigériens et Tchadiens ont subi, ont subi des pertes. Garé Amadou, un commentaire sur ces euh, propos du général Patrick Boutou, commandant de la force Barkhane. Oui, il est, indéniable que concernant les, frontières du Niger euh, avec le Mali et la Libye, n'est-ce pas, la force Barkhane, la coopération entre les militaires français et les militaires nigériens a porté beaucoup de fruits, n'est-ce pas C'est sûr. On ne dit pas que le terrorisme est fini. il, faut, il, faut, avoir l'épée sur le Ça ne veut pas dire que l'opération Barkhane a arrêté les terroristes parce qu'il y a eu des attaques quand même au niveau de Wallam, etc. etc. Euh, donc, euh, au niveau de, de, de, ces deux localités-là, en tout cas vers la, frontière malienne et la frontière libyenne, les résultats sont appréciables. Le problème, c'est que c'est ça qui fait que le président, de la République est parti euh, en France après l'attaque de, de Bosso. Comment étendre l'opération Barkhane au niveau de la région euh, de, de, de, de, Difa, n'est-ce pas, pour que, euh, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram Parce que on a constaté que malgré la présence des éléments de renseignement français au niveau de Difa, n'est-ce pas, euh, Boko Haram arrive à, à perpétrer les attaques et à retourner. Comment faire Comment étendre la force Barkhane au niveau de... C'est ça toute la question. Et le militaire français n'a pas dit ça. J'ai pas suivi toute l'interview. Peut-être qu'il a dit, il a, il a dit ces choses-là après. Mais il s'agit aujourd'hui de voir, de faire en sorte que la coopération militaire qui est déjà fructueuse entre la France et le Niger et le Mali et les autres pays qui sont engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que cette coopération militaire là soit étendue, n'est-ce pas Elle soit en tout cas étendue au niveau de, de, de, de vers le lit du lac Tchad pour permettre de mieux contrecarrer les attaques de Boko Haram. C'est ça qui est la, De manière opérationnelle qu'ils interviennent ou Oui, qu'ils interviennent puisqu'il a dit, vous avez vu, il a dit qu'ils ont mis des opérations, ils ont intercepté des cargaisons de drogue, ils ont tué des terroristes, ils ont pris des armes, etc., etc. Eh bien, il faut que le même processus qui est en train de se faire au niveau de, à partir de la base de Madama, n'est-ce pas, qu'il puisse se faire au niveau de, de la région région de Difa, puisqu'il y a des militaires français au niveau de la région de Difa. On dit qu'ils font du renseignement. Mais comment se fait-il que les militaires font du renseignement et puis les éléments de Boko Haram arrivent à traverser la frontière, venir frapper et, retourner Et c'est ça qui a fait réagir le président. Le président, je vous dis, quand il est parti en France demander, ça veut dire qu'il n'est pas content de la situation actuelle. C'est qu'il veut que ça s'améliore. Et il a expressement demandé à ce que l'opération Barkhane soit étendue au niveau de la région de Difa. Ousseini euh, effectivement, vous savez, ce processus Barkhane, bon, quelque part, c'est parti du Mali, quoi, la situation au nord Mali. Bien évidemment, on a vu le président se déplacer pour aller rencontrer son homologue, et bon, ça n'a pas fait l'objet de mystère. Hein. C'était pour demander, comme avait dit, le soutien de la France et que cette force puisse être déployée sur pratiquement tout le Sahel. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement au Sahel et une partie du Niger. Parce que d'après les explications qu'il a eu à donner, c'est surtout plus dans la zone d'Agadez vers Madama que les interventions se font. Aujourd'hui, la situation est critique dans la zone est du pays, notamment dans la région de Difa. Ce serait plus intéressant que si cette force-là pouvait intervenir dans cette zone, créer les conditions pour qu'effectivement les, la secte, les éléments de la secte Boko Haram ne puissent plus pénétrer, venir jusque dans des villages, perpétrer des attentats ou des massacres et pouvoir retourner tranquillement. Parce que s'ils ont pu le faire jusqu'ici, je me dis quelque part, parce que <laughs> il y a un problème au niveau des frontières, il y a un problème au niveau des renseignements. Quand c'est des troupes qui bougent de l'autre côté, normalement, on doit pouvoir renseigner. Maintenant, si même c'est fait, est-ce que sur le terrain, les gens ont les moyens de pouvoir les contrecarrer Ça aussi, c'est un autre problème. C'est toute la difficulté et je pense que bon, c'est une très bonne chose s'il peut, en tout cas si cette force-là peut s'engager à appuyer les forces, comment se dirige, en tout cas la, des, G5 Sahel, la force des G5 Sahel pour pouvoir éradiquer rapidement la secte Boko Haram. Lawa Mbogana, que dire de cette présence de Barkhane Ce que je remarque, il ne faut pas tourner autour de peau, il faut utiliser les mots à leur place. Il y a eu des hiatus dans la gestion sécuritaire à Bosso. Et je suis très heureux de voir certaines décisions qui ont été prises par le politique pour faire quelques réaménagements au sein de la grande muette. Je ne vais pas m'avancer pour donner des noms et un certain nombre de choses, mais ce qui dénote qu'il y a eu un malaise et, le politique s'est rendu compte, euh, il y a des questions liées euh, la prise en charge des, soldats, il y a le conditionnement, il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes en 2016, ce n'est pas la guerre de Biafra, il y a les réseaux sociaux, il y a les technologies d'information. Donc les informations du front remontent très facilement aujourd'hui, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve. Berkane, elle est aussi à N'Djamena. Et N'Djamena, Bosso, c'est 200-300 kilomètres. Mais ce que le général euh, parle ici, je parle, il fait plus allusion aux opérations faites dans le désert vers Madama, Durkou et consorts. Le Cette zone. Je pense que euh, l'opérationnalité de Perkan euh, n'est pas tout à fait à son point, à, ce qu'on souhaite, je vais dire, du côté du Niger. Vous avez la réaction du ministre de la Défense quand il dit que non, cette fois-ci, quand on va, on va s'installer, on va rester. C'était une belle réponse. Et quelque part, c'est pour dire que vous, qui êtes nos alliés, vous n'êtes pas en train de réussir. Moi, je ne peux pas comprendre que 300, 400. Et certaines sources nous ont parlé de 600 personnes qui auraient euh, débarqué le jour-là, embarqué pour venir attaquer le poste de Bosso, euh, le poste avancé, le poste militaire avancé, la nuit de 3 au 4 juin. Comment est-ce que 300 personnes, même si c'est 10 personnes par Toyota, pouvaient faire un mouvement dans une zone où il y a quand même des agents de renseignement, il y a des drones. J'ai pas pu bien comprendre cela. Je pense que euh, il faut revoir cette coopération, cette relation avec Barkhane, et je pense qu'ils sont en train d'agir dans ce sens. Mais j'étais très content de pouvoir lire entre les lignes euh, cette euh, colère des autorités nigériennes après cette, cette attaque de la nébuleuse, ce qui veut dire que ils ont compris en fait. On sait que après le retour du président de, de quelques jours, d'aucuns informations circulaient comme quoi les Tchadiens étaient déjà là. Euh, le ministre de la Défense avait démenti cette information, mais nous apprenons cette semaine que euh, certains militaires tchadiens seraient bien au Niger, euh, notamment à Ngigimi, justement dans le cadre de la riposte contre Boko Haram. Tout à fait. Il faut dire que euh, quelqu'un ne peut pas faire la guerre à la place d'un autre, il faut le dire. Mais nous sommes dans, une coalition qui engage plusieurs pays, qui ont un ennemi commun qui est cette nébuleuse qui a frappé rien qu'hier au Cameroun, qui a fait des dizaines de mois Avec euh, un attentat. Un attentat, justement. Vous voyez. Et même les grandes nations aujourd'hui ne sont pas épargnées. Vous avez vu euh, à Ankara une quarantaine de personnes. Ah Vous avez vu euh, à, Genève, en Belgique. Vous voyez. Donc ça veut dire que on a besoin d'une coalition de plusieurs pays et l'arrivée des Tchadiens, ça donne un bonus, un tonus, je veux dire, à nos soldats et à, toutes les forces de la coalition pour en découdre avec cette, cette secte-là qui, qui, qui, qui est il faut dire, euh, en train de jouer une sorte de barreau d'honneur. Elle n'est pas finie, mais elle est affaiblie. Je pense qu'il faut juste persévérer l'offensive contre Boko Haram en collaboration avec les Tchadiens, les forces du Nigeria. Oui, et c'est une offensive qui est, qui, bien, à, à, propos, c'est-à-dire qu'elle est vraiment la bienvenue. Et, je pense que cette offensive-là a commencé, et c'est ce qui fait que peut-être ces derniers temps, on n'a pas entendu de nouvelles attaques, en tout cas concernant le Niger, n'est-ce pas, euh, de nouvelles attaques de Boko Haram. Euh, c'est sûr que... Mais moi, ce qui me gêne, c'est que euh, on dit que la lutte contre le terrorisme est un combat global. Mais comment pouvez-vous comprendre que des pays, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin, décident de former une force multinationale Comment pouvez-vous comprendre que cette guerre-là, que les États puissent la financer sur leur front propre voilà quelque part quelque chose même qui est en train de greffer les finances publiques, le sujet qu'on avait peut-être abordé. Ce que la, guerre que nous menons, nous la menons avec nos propres sous, un pays pauvre. C'est très compliqué. Mais alors, on a demandé une résolution des Nations Unies. Parce que la résolution des Nations Unies, c'est elle qui va permettre le décaissement, en tout cas la participation de la communauté internationale, concrètement avec des fonds, dans le cadre de ce combat-là on refuse de, faire cette, de prendre cette résolution-là. Comment voulez-vous que, ça Donc les pays sont obligés de jumeler les forces. C'est ce qui fait qu'il se fait partir par débit. Il a dit, écoute, euh, euh, mon ami, il faut qu'on se... Euh, en tout cas qu'on mette la main dans la main pour qu'on puisse faire cette guerre-là. Parce qu'on ne peut pas attendre éternellement la mise en place de la force conjointe qui a tardé, bien sûr maintenant ça, a eu lieu, et on ne peut pas attendre extrêmement l'aide de la communauté internationale. Il faut que nous joignions nos forces pour pouvoir contrecarrer cette force-là. Et je suis heureux d'apprendre que les forces tchadiennes sont venues, parce que main dans la main, ils l'ont prouvé, et ils peuvent avoir beaucoup de résultats. une 30 secondes, mot par rapport à ça avant qu'on. Ce que je tenais à dire, c'est un peu pour dire à Gary, c'est qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Les, les puissances là n'ont rien à prendre. Partout, ils vont faire les guerres c'est qu'ils ont des intérêts. Parce que c'est les ressources du pays qu'ils utilisent pour financer la guerre. Quand ils interviennent en Libye, c'était le cas. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, pas qu'ils ont foutu le bordel. Aujourd'hui, nous, nous avons quoi Voilà un peu tout le problème, voilà toute la problématique. Maintenant, ce qui se passe, je suis heureux de comprendre que, ou d'entendre que eh, la force a pu être, comme avait dit, eh, comme la force euh, multinationale. multinationale. est désormais opérationnelle et qu'ils vont, ils vont, ils vont mener l'offensive. Ils vont mener l'offensive, mais il faut que ça soit de manière vraiment coordonnée. Il faut pas que ça soit dans le, comme avait dit, dans le, dans, le désordre ou bien dans, dans, dans, le désordre. On a vu un peu du côté du Nigeria, on n'a pas l'impression que il y a véritablement une volonté d'aller de l'avant, une volonté de pouvoir, parce que tout simplement, à chaque fois quand le Niger parvient à mettre des coups, ou du moins les autres pays, quand il se réfugient, il parviennent à se reconstituer et à revenir, comment dire, en force vers ces pays-là, pouvoir poser des actions isolées. Et c'est ça qui fait la difficulté, parce qu'à chaque fois, si on n'arrive pas à les éradiquer, à faire en sorte qu'ils ne plus, ils puissent plus renaître, c'est qui est sûr avec l'État. Et à chaque fois qu'ils parviennent à rentrer au Niger, ils se reconstruisent. C'est une guerre asymétrique. Ah, nous, allons, nous, allons, aborder un dernier thème pour finir, c'est celui de la, du boycott prévu par la maison de la presse euh, donc notamment euh, la maison de la presse compte boycotter la rupture collective avec le président de la République pour festiger euh, fustiger les dérives contre la liberté de la presse à Bogana J'ai vu le texte, je l'ai lu et j'étais agréablement surpris de cette euh, décision prise par le bureau exécutif de la Un meilleur choix Un choix judicieux, parce qu'il y avait des raisons qui ont été avancées. L'arrestation, l'incarcération et l'emprisonnement, je vais dire, de nos confrères récemment du courrier. Euh, le directeur de publication, le promoteur, le retrait, par exemple, de l'accréditation l'accréditation de notre consoeur Nathalie Prévost qui n'a fait que son travail, bien que je, je, elle va reprendre son, son accréditation bientôt puisqu'elle est revenue au Niger. Et vous savez, ces gens qui sont au pouvoir, c'est des valeurs locaux de, l'ancien colonisateur. Quand le quai d'Orsay a vociféré, je crois qu'ils se sont, ils se sont calmés et je sais de quoi je parle. Nous allons le créer dans nos journaux, il n'y a pas de problème, nous allons le signer. Donc, ils ont avancé ces raisons. Que le président de la République en fait, il, n'honore pas ses engagements. La déclaration de la montagne de la table qu'il a signée, c'était un engagement sur l'honneur. Durant son premier mandat, il y a eu des arrestations de journalistes. J'étais très heureux récemment de voir euh, ceux qui ont les intestins colorés en rose là sur Facebook. Ils disent qu'ils demandent à ceux qui ont une, opération même propre dans le domaine des médias, qu'on sache qui a diplôme, qui n'en a pas. J'étais très content. J'étais très content parce que c'est eux véritablement qui n'ont pas de diplôme. Donc c'est un très bon communiqué. Moi, je ne serrerai pas la main moi, j'ai été invité, je ne répondrai pas. Je ne serrerai pas la main d'un usurpateur de pouvoir. Garé Amadou, oui, la euh, politique de la chaise vide, euh, oui, boycotter euh, la président. Moi, j'ai toujours été contre la politique de la chaise vide et je le réitère. Le problème avec cette maison de la presse là actuellement, je vous dis que les journalistes vont partir à cette cérémonie là. Vous savez pourquoi Vous y prendrez part Non, moi je suis pas invité. Moi, je ne suis, je ne suis jamais parti à cette cérémonie là, je suis jamais invité. Mais je vous dis, si on m'invite, j'irai. Et vous savez pourquoi Cette maison de la presse là, elle n'est pas, elle n'est plus représentative. Moi, nous, on a la nostalgie de la maison de la presse du temps de Gallo où Diallo était le responsable de la maison de la presse. Mais cette mission de la presse actuelle, elle a été trop politisée au point où elle n'a plus aucune crédibilité pour décréter un mot d'ordre. Et c'est ça le problème. Sinon, la décision en elle-même, moi je peux la comprendre, n'est-ce pas De dire de ne pas partir. Mais est-ce que la décision, est-ce que partir, faire l'habitude des jeunes, c'est un signe d'allégeance Non. C'est Vous pouvez partir d'ailleurs rencontrer le président et lui exprimer de vive voix voilà pourquoi vous, vous, êtes venu pour rompre le, jeûne, parce que euh, dans un mois béni de Ramadan, et que, bon, voilà, parce que c'est une cérémonie qui a lieu depuis longtemps, et que vous êtes venu pour l'honorer. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes content. Mais voilà ce que vous reprochez au gouvernement. Mais je pense, aujourd'hui, le grand problème au niveau de la maison de la presse, c'est que l'instance actuelle de la maison de la presse n'a plus la crédibilité pour réunir toute la profession. Et je vous dis, vous allez le voir à, à la télé. Des organes de médias vont partir. Pourquoi Parce que le problème, c'est ça. Non, ce n'est pas pour manger des monsieur, les gens n'ont pas faim. Ce pas, ah, pas des alimentaires. Ce ah, bah, bah, c'est pas des alimentaires. C'est pas des alimentaires. Les gens mangent du monsieur tout le temps. N'est-ce pas C'est pas, c'est pas des, c'est pas, non, c'est pas, c'est quand même, c'est, pas des. Nous allons passer à Ossénie. Je vais vous dire une chose. Non, je vais mm. vous dire une chose. Je vais conclure. Mm. Je vous dis, et c'est ça le grand problème. Cette décision-là de la maison de la presse pouvait être, et pouvait permettre, n'est-ce pas, de faire la cohésion au sein des médias. Mais je vous assure, vous allez voir les journalistes de presse qui vont partir ça sera un Issa, Hussein Issa, rapidement, Abagana, Abagana, on va, on va laisser passer on va laisser parler Hussein. Le Moi, je comprends. Quand les gens veulent justifier le riz, quand les gens veulent justifier la couleur de la sauce. Non, c'est pas ça. Moi, je comprends. Hussein Issa, Hussein Issa, rapidement. Vous avez parlé, laissez Hussein parler, donner son point de vue. Garé, on va laisser Hussein conclure. Nous n'avons que trois minutes. Je veux dire, des ah, choses, c'est à quoi on a assisté, à quoi on a assisté au cours du premier mandat et c'est à quoi on a assisté en début de ce mandat. Moi, je me dis, c'est une façon de vouloir remettre en cause l'ordonnance portant des des délits commis par voie de presse. On est dans cette optique. On a comme l'impression que tous les acquis qui ont pu être engrangés, pas pendant qu'ils sont là, c'est pendant la transition de Salou Jibo que les gens, et c'est un combat qui a été mené en amont depuis pratiquement les années 2000. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation, et moi je les comprends tout à fait quand ils disent. Êtes-vous solidaire de la décision de la, maison de la presse de Naturellement, Moi, je ne peux pas ne pas être solidaire. Je suis membre du conseil d'administration de cette maison de la presse. Et par conséquent, je ne vois pas, parce que les actes qui sont posés, quand vous dites vous n'allez pas enfermer un journaliste, aujourd'hui, de par ce qui s'était passé lors du dernier procès, où on met de côté l'ordonnance portant un régime de la liberté de la presse qui dépénalise, qui, qui supprime les peines privatives de liberté, des, euh, en, réévaluant comment dire, les amendes, on met ça de côté, on va prendre le code pénal pour juger des journalistes par rapport à des faits, comment dire, qui ne sont pas ni de diffamation et des faits vrais qui n'ont jamais été contestés la véracité de ce qui a été des listes qui ont été publiées n'a pas été démentie devant les juges c'est pas mm. ça, c'est pas sur. Moi j'ai dit. Voilà, nous sommes à la fin, je suis désolé, nous allons du forum de la presse de ce soir. Nous étions avec Garé Amadou du journal L'événement, Lawan Abagana du journal L'actualité et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous d'être venus. On n'aura pas épuisé ce sujet une autre fois. Bonne soirée à tous.